Arlit, ville minière de la région d'Agadez, n'est pas épargnée par le phénomène des sachets plastiques. S'appuyant sur la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques, les autorités communales ont mis en œuvre un programme pour protéger l'environnement. Un des intérêts, c'est d'abord le caractère de salubrité de la ville et la protection de son environnement. C'est aussi un programme qui occupe jeunes et femmes à travers la création d'emplois et les activités génératrices de revenus. Azara Jalawi, une femme leader de cette initiative, explique l'implication des femmes d'Arlit initiative de ramassage des déchets plastiques. Les femmes partent pour ramasser ces déchets plastiques qu'elles mettent dans un camion de la mairie et ces camions transportent ces plastiques dans un endroit qui est référé à entasser tous ces plastiques. Et après, elles ont un revenu. De nombreuses femmes et jeunes de la commune se sont beaucoup impliquées dans la transformation et la commercialisation de ces sachets plastiques. Le maire de la commune, Elhaji Mouli Abdraman, explique ce qu'il y gagne. C'est à travers un projet qu'on a initié de ramassage et transformation des déchets plastiques. Les déchets sont ramassés par les femmes, moyennant des sous. Chaque famille ou chaque personne ramasse 5 sacs de plastique, disons 2000 Ces déchets sont triés et transformés pour un recyclage les déchets sont entassés dans un magasin, à air libre, stockés. Des jeunes les prennent et les transforment en briques pour pouvoir faire des riz pavés au niveau des quartiers. Cette initiative de la commune urbaine d'Arlit constitue un exemple pour les autres communes du pays pour ainsi contribuer au développement et l'assainissement des villes et villages du Niger. Mandantani, Studio Kalangu.